jël ñu nous ne pourrions exclure une réédition de mars du lu ñu bëgg du lu de ñaan du ñu lu ñu du dox du sabab mais Gor le ñu wax de di toroxal ak gundoxataal Gor goo bëgg a def yenn rek mu fippu teg ba am nu wane. ni une réédition de mars mën ne. mais du lu kenn ñaan du lu kenn bëgg du lu kenn xalaat mais mën na ne beneen bi nit ñi tiit tiit parce que su fi yenn yi amee kenn xamul ci kan lay dal ci kan lay metti mais képp ku mu dal ci yow képp ku mu nekk ci yow dana metti ci ñun ñëpp cette ambivalence de mes propos signifie quoi que Yéhu Askan est dans une posture de responsabilité nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve

pour que tout le monde sache que dans ce pays on ne peut pas accepter que dans ce pays qu'un pouvoir puisse à chaque fois choisir ce contre qui ou ce avec qui il doit compétir ou se battre parce que a ko wax ali ji comment liquider un adversaire politique Mais quelle que soit la forme que cela prend quels que soient les moyens qui sont utilisés, la finalité, elle est unique, elle est là. De lolo, du fi amen. Inch'Allah. Lolo waral tay ñu dajé ak yeen fas waxtaan ak askan responsable yi nar wax ci turu yewi Askan ku nekk dana wax ak xolam mais dana wax parce qu'en définitive la seule chose qui nous importe, c'est la paix dans ce pays. C'est la sécurité dans ce pays. C'est la sûreté pour les citoyens. mais quoi duñ ko waxee dañ koy jëfe ku nekk ci ñun war na ko dox war na ko wax mais amna lu kenn dul nang lool la bëggoon duggé ci waxtaan wax leen ni Ousmane Sonko est très serein très serein. Il n'a aucun problème avec ce qui va se passer demain. Il est dans des dispositions de citoyens et de responsables et de justiciables. Mais il assumera toutes ses responsabilités si c'était nécessaire. Donc, comme je parole, cher Tidiane

mu ngoog euh, mu nekkoon euh, kàdduy introduction bu Khalifa Sall bokk euh, jiite conférence des leaders pour coalition yewi Askan Wi nga xamanteni jamono ji ñu ngi dajeeg taskatu xibaar ñu déglu Cheikh Tidiane djey avenir Sénégal bi ñu bëgg moom itam bokk ci leader yu yewi Askan Wi. di len nuyu yéen journalistes yi di nuyu askanu Sénégal yépp ñi nga xam ñu ngi tok di ñu déglu ak di ñu sétane président Khalifa wax nako, xew-xew mo Moy am ci réew mi suba inshallah allah xew-xew la nak bu tax lenn ci leader yi tok fi mu di ak président Déthié mi nga xamni mu ngi ci yoon wi di ñew sori won réew mi lool ci seen activité dag ko delu si pour won len solo so xamni li ñu jëm suba amna ko pour ñun ak askanu Sénégal yépp li am suba lan la dossier la bo xamni dafa am ñaari patch ben patch bi moy judiciaire bi ñun duñu ci xous ndax du suñu avocat yu koy en tant que citoyen yo ne nañ comme nous askanu Sénégal yëpp topé bobu dossier liñu ci dégg liñu ci gis ak liñu ci xam avocat wax ko publiquement juriste wax ko publiquement ñeneen wax ko publiquement askanu Sénégal avons certitude que sur le plan judiciaire dossier Bobo, amul dara lo Ousmane Sonko ko ci wala ñu donc loolu conviction bu sénégalais yi amoon ko dit. ñëpp nous dit tank, bi nga pilier politique dossier le dossier politique Nous ñun loolu mooy suñu cër fii ñu toog dossier politique la parce que dossier la boo xam ne ni ñu koy fomanté mu di complot yàgg nañ ko wax bi mbir mi jógee askan wi yépp jàpp nañu ni complot la bu ñu créer construire ko pour taqal opposant leader d'opposition boo xam ne bii dafa contre président mu bëgg cee jaare faagaagal ko comme ni mu ko defee woon pour Khalifa Sall te mënu ko comme ni mu ko defee pour pour Karim Wade te mënu ko te loolu lépp gis na ni am lajj na ci daanaka waaye comme ni mu ni mu ko taxawee ba nga xam ni ku jóg mu daaneel la mu jaare ci loolu pour bëgg faagagal Ousmane Sonko waaye askan wi jóg bañ ko li fi xew mars 2021 yéen ñëpp fekkee ngeen ko askanu Sénégal gëm gu mu gëm ni complot la kese buy faagaagal ak fexe ba Macky Sall toog fi di buur di bu mu def lu ko neex ku àndul ak moom mu mu yàq la tax askan wi jóg gàntal boobu loolu mu yëkkati woon Lalu nak lañ koy bëgg fatale konteks ni contexte bobu amone 2021 askan woowu mu jakar lolon askan wi jogon pour ar démocratie sam état de droit fexé ba président bu fi nek do def lula neex ak kula neexul nga jël askan woowu ba tay mo taxaw ci kanamu Macky Sall ci kaddu askan woowu lenn ci askan woowu lañuy ñuy Nyafi ña fi amone daw yi fi jogon leader politique yi ak parti ñi nga xam ne dañu bokkoon ci m d ay dem boo jëg man mii toog ci taabal ji ak ñeneen ñu sosoon ko bokk ci ak ñi fi nekkul ñëpp dañu jógoon pour ni espoir bi Sénégal am espoir boobu duñ ko bàyyi mu naxsaay te espoir boobu mooy opposition bu ànd am projet politique bu bees bëgg fi jëlee Macky Sall ak système am teg fi leneen Macky bëgg koo gantal loolu la askan wi ne du am te ci boobu taxaw lañu taxaw ba tey muy contexte boo xam ni Macky war koo comprendre ñaareel bi dëgëral contexte boobu te loolu mu ñu ko koy dànkaafoo Khalifa wax na ko léegi am na loo xam ne ñun duñu ko nangu en tant que leader politique de l'opposition waaye xam nañu ni am na loo xam ni askanu Sénégal ñooñu ko gën a bañ parce que askan wii taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall tey dafa gëm ni moom rek moo yor pouvoir te wane na ko ci ñaari élection yi romb jël Macky Sall def ko minorité à l'Assemblée nationale jël pouvoir bi jox ko opposition pour la première fois askanu Sénégal def ko askan woowu moo jàkkaarloog moom muy loo xam ni war na cee bàyyi xel

moy dañuy dund ci jafé jafé yo xam on a un peuple quasiment affamé affamé fi ñu toll nii boo nekkee président nak def ay laj ci walu économie ak social ba sa peuple affamé war nga xam bu baax fi ngay teg sa tank bo dee yëkkati dossier yo xam ni mën naa taal réew donc lolu itam mu bayyi xel ni ci contexte bobu la nek fi may daaneele parce que suñu leader yi toog fii danañu yeggali bobu waxtaan moy ñuy lancer appel Macky Sall lancé appel peuple sénégalais xale fu wax na ko boo taxawee ci dëgg doo ragal boo taxawee ci dëgg doo yaafuus boo taxawee ci dëgg doo yox yoxe te xam nañu ni lii ñu taxaw moom mooy dëgg mais askanu Sénégal li mu ñu dee ñu dégg ko ñu gis mu taxaw ko ci taxawaay askan wi war na ni Macky Sall dina ko barrer la route ba lii muy jéem ci Ousmane Sonko pour gàttal ko pour que li mu def Khalifa def ko Karim gàntal ko ba du mën a nekk candidat wala keneen ku jot ci opposition mu jaarale la ci lolu c'est terminé dans ce pays lolu lañ moy liñ ci bëggoon yok mu xam ko ñuy rappeler ndax on est bien placé pour le faire Jam rek lu wër ci réew mi jàmm ci lañu mësa taxaw ndax acte bi ñu mujj a posé ci 2021 ci walu dossier bi ñun ñi ñoko dox bi réew mi demee ba yegg fenn fi ñun ñoo wàccee ba jàmm am ci biir réew mi ñu continuer dox ci dem ci Touba dem ci Porokhane dem ci fep waxtaan ak leader yépp pour won leen ni ñun kat dañ ñoo song jéem ñoo toroxal waaye jàmm la ñu bëgg ndax Sénégal jaral nañu lool ñuy ñaanaat ñooñu ñu jàkkaarloo loon wax ak ñoom ñu bàyyi seen xel ni ñu ngi jëm foo xam ne ni bu ñu bàyyee yi mu def li instrumentaliser justice dina indi jafe-jafe yoo xam ne du xam fu mu mujjee ci réew mi donc loolu la ñu bëggoon yokk ci campé décor bi mu xam ko xam ne lii mu jëm du ci am ndam askan wi dina ko gàntal dina taxaw ci kanamam waaye dinañ ko def ak responsabilité dinañ ko def ak gëm justice dinañ ko def ci wut jàmm bu mat sëkk ndax loolu mooy suñu cër en tant que acteur politique ma di gërëm di ni français bu mu Cheikh plateforme bii di Sénégal euh, avenir avenir Sénégal bi ñu bëgg ci conférence euh, des leaders bu coalition Yébi Askan Wi euh, li ko dalee 11h ba légui ñu ngi dajeek taskatu xibaar yi ndax xam ngeen fi ñu jëm ëlëk mu di convocation Ousmane euh, Sonko euh, ngir de ko au fond juge doyen des jugements comme ko Moussa Tine moom mooy wax ñu teewlu ko. ma woo ko téléphone mel ni ku koy massawu mu ne man de woote bii ñuy woote nekkul waaye man maa nek di def pression pour ñu woma parce que dama bëgg dossier bi jall bu ñu toppoon Ousmane Sonko kese tey jii Khalifa Sall du jël avion ñibbi si biir si guddi ñëw fekk suñu fii bu ñu déglu woon Ousmane Sonko Déthié Fall du nekk si yoon bi di ñëw duñu fekk si fii bu ñu déglu woon Ousmane Sonko xëy na même conférence de presse bii parce que mon jàpp na ne de war a dem wuyu ji c'est war a dem donc que personne ne considère que nous nous faire quoi que ce soit dans la marche de l'État par contre il y a quelque chose que nous ne ferons pas nous ne considérons pas que cette affaire est une affaire privée et personne ne nous fera le complexe de penser que c'est une affaire privée, que nous immiscions dans une affaire privée. Dans une affaire privée, qu'elle que se sentir État. Cette affaire du début à la fin, on sent la main de l'État. fàttali que que ne Ousmane Sonko bëggoon koo woote lever woon parlementaire fàttali que condition lever parlementaire assemblée nationale

Si ñuy Ousmane Sonko citoyen policiers, on mobilise tout le monde Sénégal gendarme la Dakar tribunal le déploiement même de l'autorité administrative pour ne euh, tribunal donc on considère pas que nous sommes dans une affaire privée on considère que ce qui s'est passé avec Khalifa Sall mu devons jóg ne dafay defi tournée dem ba Tamba ñu woo ko ne ko kaay wuyu si li xewoon ak Karim Wade mom lañu bëgg def effectivement ak Ousmane Sonko et nous n'accepterons pas que Ousmane Sonko soit euh, sacrifié sur l'hôtel du désir d'un troisième mandat cette crucifixion politique là bu ñu bëgg tamal à chaque fois que nous dem vers une élection nous ne ñan ak ñan ñoo fi mën nek ay candidats yi mëna tanal on trouve les moyens de d'écarter ces gens là lolu le peuple sénégalais bi soxla Sénégal c'est un peuple de justice Si bëgg yoon bëggul gens néewal kenn doole boo gisee Sénégalais yi di nangu wàcc ci ce c'est pas simplement pour tel ou tel autre leader c'est parce qu'on considère que notre démocratie est en péril c'est pour ça que Yewwi Askan reste saisi de la question et on verra avec beaucoup de vigilance à tout ce qui va se passer autour de cette question-là tant que dans le tribunal, dans l'audition juge, il n'y a aucun problème. Le problème que nous avons à régler dans notre pays, ce n'est pas simplement un problème avec Ousmane Sonko, avec Khalifa Sall, c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire qui concerne un homme politique, on sent la main de l'État derrière cette affaire-là. L'Union avec le Sénégal, nous, nous ferons pour justice indépendance, bon, quelle est une insécurité judiciaire dans ce pays-là, de sorte que bon, on sait tout de suite que c'est la mère de Macky Sall derrière. Et à chaque fois qu'ils ont pris la parole, ils se sont... Aujourd'hui, c'est que l'un d'entre nous là, au niveau de Yéry Astani, et au niveau de l'opposition, et d'ailleurs au niveau de tous les leaders politiques, que quelqu'un puisse être sacrifié, comme on l'a fait dans le temps, simplement parce que le président de la République ne veut pas être gêné dans sa volonté de faire un troisième mandat parce que simplement les gens veulent aussi continuer li choses, liggéey ne mënut ce qui de là de dinaa def de dinaa le diw Donc aussi on ne peut pas l'accepter il part au Sénégal ñu choisir que koy remplacer dans notre pays il faut qu'on arrête de vouloir imprimer une marque personnelle à dans notre pays jamono nit nekk un phénomène démocratie ouverture la, le demander. Démocratie accepter, esprit de compétition le demande. Mais ce qu'on a les moyens de l'État, la puissance publique peut écarter un adversaire politique. C'est ça qui explique que Askanoui se mobilise autour de cette question-là. mu nekkoon euh, nag euh, kàddu yi Moussa Tine la nekkal euh, bok ci leader yu coalition Yewwi Askan Wi dañuy am dog-dog ci liaison bi waaye du ñak rek euh, Ablaye Diop euh, bu soté rek ñu dégtalaat len ko conférence de presse bi nga xamanteni leader yu coalition yewes kan Wi ñu ngi koy amal ci jamono ji ngir rek euh, addu ci convocation bi nga xamanteni convoqué nañu ko Ousmane Sonko jëm ci mbir mi dox digantem ak ki di. Adji Sarr Ousmane Sonko war a wuyu ji àttekat bi ni ki euleuk ñu war ko déglu dans le fond Abdoulaye Diop su fekkee ne son bi normal na ñu wéy ak Moussa Tine bi nga xamanteni mom mo ne ci micro bi. ndax wax na ko léegi euh, Khalifa Ababacar nekk fi woon dagg voyage am ñëw Déthié Fall nekk fi wante xelam yépp mu ngi fi ak ñeneen ñi nga xam ne sax xëy na matewuñu tey teew ñun ñëpp xam nañu seen xol mu ngi fi l'heure est à l'unité may wax ni li woon moo woon ni Macky Sall li mu jotoon a def loolu mënatul a nekk ci jamono jiñ toll nii ndax nag président Ousmane Sonko naam Pastef moom moo ko boot naam laytaay askanu Sénégal da cee am wàll

bu jàppee ni dañ ko war a taxaw ñu weesu noonu ñun ñi waa yi te noonu lañ ko war a taxawoo may wax nag ne président Sall euh, boo ne nit ku iñaan la nit ku soxor la nit ku xat xol la parce que nag xat xol weesuwul nga doxal sa jamono te nga ne kenn du doxal jamono xat xol weesuwul yow 2009 ba 2011 ngay lambar lambar yow néegu ñax sax dugg nga ko fu nekk dugg nga fa génn fa def sa ay tournée tey un parti politique jóg taxaw di def nemmeeku tuur lu ne nga nga nga mobiliser ko ci arsenal politique arsenal militaire arsenal gendarmerie police lépp taxaw dëkk bi pendant trois semaines kenn waxul lu ci nemmeeku tuur dëgg la dañ ko war a woo dañ ko war a atte mais momento bi ndax lépp lu am rek da nga naan moment ba mu amee ndaxte nag foog naa 2021 ak léegi yàgg na dara lan moo tax moment bii tey looloo teyal xelu Sénégalais yi li teyal xelu Sénégalais yi mooy lu tax ñu moment tay bi pour wo ci Ousmane Sonko mi nga xamni ne ba léegi mu ngi naan woo leen ma ndaxte mbir mi dama ko bëgg a simi teg fee balaa may dugg ci candidat présidentiel nam sax sénégalais ñom raxas nañ la ba nga set wecc parce que fi bu nekké dafa am ñu détourné won ay xaalis ci ci caisse d'avance sénégalais né nañ ko gëmuñu lool parce que khalifa mi té lañ ko gëna jox bop ba mu né ki dañ ko wax ci ay mbiru euh, euh, meurs sénégalais tay lañ ko gëna jox bop parce que dañoo jël laver loolu jël plus de 83 députés ba suñ ndox kon sénégalais ñom euh, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts waaye tey li am mooy depuis trois semaines gis ngeen persécution bi am dem na ba am ci ba ay nit ñu leen ciy song di kar ay voix loolu yëpp ci xatum xol président Macky Sall lay amee waaye araftu di ko wax ne ko 2021 li amoon naam dañoo wax ni ñoom nit ñi dañoo xiifoon ak nit ñi dañoo maroon ndax dara jotu ko politique dara jotu ko soulèvement populaire man de li ma xam te ñu ñëpp ñu xam ko te gis ko itam ci suñu élection yi paas mooy xale yi Sénégal ndawu Sénégal ñoom ñoo jóg taxaw ne dootuñu seetaan ne tënk wala ñu lay seppi wala ñu lay toroxal wala ñu lay faagaagal tey Ousmane Sonko moo aaye waaye nag nga xam ne aaye bi nag njël li da koo bokkal ay moroomam ndax njël lii mu aaye tey kenn ku ne da ngaa ndugg teg ca loolu mooy wane ni waxuma la du ci wéet mais kenn dadul nangu di seetaan askan wi du ko seetaan jeunesse bi di ko seetaan kenn du ko seetaan kon nag ñun ñëpp may ñaan ñu ñaanal jàmm eh, Ousmane Sonko jaanal ko jàmm Yewwi te Sénégal yi nga xam ñu ngi toog seen biir kër man ñoom laay yóbbante ndax nit ñi ne nañ pression dafa am mais kan moo indi pression ku ñu woo jeudi tey lu ci yoonam ci pression kan moo teg pression bi ki bunkériser dëkk bi ki nga xamante romb kenn doful ñëpp xam nañu lu génn ñoom ñoo ko

c'est que le Sénégal est à la croisée des chemins. La jeunesse sénégalaise est debout et réveillée. C'est une jeunesse qui a tellement subi, qui a tellement vécu et qui, de même de son jeune âge, ne peut plus accepter de, vivre de l'injustice sans réagir. On dit que cette jeunesse est sans, espoir. On dit que cette jeunesse n'a pas de formation, elle n'a pas d'avenir. Cette jeunesse ne peut même plus émigrer parce que quand elle essaie, elle meurt dans les eaux parce que tout simplement, il a, euh, euh, enfin, manque de secours. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui a décidé de se mobiliser dans le PASTEF, dans le Yéhu Askami. Et c'est cette jeunesse qui n'acceptera pas le sacrifice d'Ousmane Sonko. Donc, j'appelle l'opinion internationale à faire de leur mieux pour demander à président Macky Sall de souhaiter la paix, rien que la paix et la santé à Ousmane Sonko, candidat du PASTEF. Parce que tant que Ousmane Sonko aura la paix, nous estimons que ce pays sera en paix. Mais tant que Ousmane Sonko n'aura pas la paix, nous estimons que nous n'aurons aucun contrôle dans cette jeunesse, que c'est parce que cette jeunesse est tout simplement aujourd'hui à la merci de son avenir. Cette jeunesse se dit, on n'a plus que cela, on n'a plus cette dernière chance, on n'acceptera pas que cela soit écarté. Donc, les, les étrangers se le tiennent pour dit, Yewi Askambi ni le nous ne sont pas des ennemis de, l'étranger, nous ne sommes pas des ennemis de l'international. Nous avons toujours coopéré et nous pensons que le Sénégal est un pays de paix et de teranga, mais c'est un pays surtout de vérité. Et la vérité doit être dite que le président Macky Sall retienne ses ambitions, euh, organise des élections, quitte le pouvoir parce qu'il est arrivé à la limite et que cette méchanceté gratuite dont il fait preuve, qu'il l'arrête parce que de toute façon, ça sera plus accepté. Merci beaucoup dañuy wéy ak euh, conférence euh, de presse des leaders coalition Yewi Askan Wi yakarna jël parole Nous ñu tewlu ko. fi permettre ñu waxtaan ak askan ñu ngi di nuyu. di leader Yewi Askan Wi. ci di président Khalifa nga. la am kuy ndax dangay ñëw pour déglu askan wi ndax askan wi daf laa won wanati la kii dem nanguwul a déglu askan wi Ousmane Sonko jamono yi nga xamee ni ñu ngi koy teg lii ñu ko teg parce que nag dina wuy ji moo demandé wuy ji d'accord na ci respecté na institution wu réew mi waaye nag nañu seet fu mu jógee dañ ko ko teg ñenn ñu ni ko muñal nattu la

ñew 2017 duggu ci assemblée nationale lu ne ñu wan ko ko lu ne mu gis ko ñu yeewu nangu ko nag muy dogal bo xam ne dañ ko nangu te booba yeewi amagul booba benn groupe amagul waaye Sénégal gi yalla daf fee def ay nit yu juste man de personnellement te na ngeen ma baal parce que mësuma nekk ci yeewi askan wi wax moi parce que le moi est haïssable waaye tay damay obligé bu may def jeunesse bi je constitué aucun suis ko dama sama bu ko ko suñ ko xam fan koy waxe man défendre man mi à la base de la loi sur la criminalisation du voile man ma ci instances au niveau international yuy lutter contre les violences faites aux femmes

yónni domam seigne bassirou Poroxaan Cheikh wa M2D seen xol tàng na ndax nena ñun ñoo wañ sen loxo keroog le 12 pour ni len la manifestation bi warona jéxal jeexal li le 13 ñun ñoo wañ sen loxo pourtant nak ma len di yëgal ni len su amaatoon tey mu amat ndax ku nekk da nga am gëm-gëm te koku nonu ci Touba mu yónnee ndaw kamu mu yónni daal ni ko li lañu bëgg ñu def ko nañu arrêter manifestation dañ koy def ba pare bàyyi yalla ak suñu bop parce que fofu lañu toll ndax bam ñu teree ñun bàyyi nañu bañ ko waxé fukki nit ak ñenté ca gañu bàyyi nañu mu ne bind leen jox ñu ba bind bañu ñëwé ba ci 9e point bi tuddu nañ ci Khalifa Sall mii parce que dañ ni ko li raam ci ñag bi la dem te ki dafa bëgg freiner ay nit ñoo xam dañoo am ambition lool lay bañ lool lay xof daf koy xof moom Macky Sall day xof ambition bëgg koo dégg te dama si démocratie lañ nekk am mouvement ba nga xam du euh, judduna na muy mouvement pour la défense de la démocratie loolu rek doyoon na message pour moom mu mën ko décrypter askan wi ni ko di nga wax ci Ousmane Sonko yëpp tere ne ko dans la bu ni ko négal ba mu taxaw Ziguinchor mu dem Ziguinchor ñu jox ko ko joxale ko nak ci Tourou, coalition bi beaucoup de villes beaucoup de grandes villes dont la capitale la ville de Dakar qui est mieux avons dem élection législative actuellement nous créons une situation inédite non seulement au niveau de l'Assemblée mais au niveau de la tradition parlementaire bi nous demandons nañ l'article article de la constitution c'est que la majorité moderne daan ñëw jël député opposition mais tey opposition assemblée di lëmbee di la majorité xanaa neex na doyetuñu doyet loolu doyetul Sénégal yi ci seen bopp ni dafa am lu fi daan am dootuñu ko am man xam nga ku may gën man askanu Sénégal ay gën askanu Sénégal ak ku leen déglu nak ndax la ma waxoon nit kër dama dem banlieue ci benn xew ñu ne ma ana say garde corps man leen maa ngi askan ku nekk ak askan wi doo soxla garde corps ku nekk ak askan wi doo soxla sécurité boo xam ne day gaañ kenn askan woowu nak tay ñom lañuy ñukkal wax leen ni ñu ngi dégg ndigal batay ndax mañu sëriñ bi né bayil karok le 13 mars 2021 amon nañ possibilité lepp jeex waye ba mu ñu né bayil dañu bàyyi ñu wax askan woowu ni leen ñu ngi and ak yeen ci seeni jafé jafé parce que dañ leena digoon ni leen dinañ wañi njëg ité kenn mënu ko wañi kon kenn mënu la am leneen lum leen lay ñu jël Ousmane Sonko tek fa ñu wax askan bi ni leen ñu ngi jël seen alal di ko defee naka sudul noonu ku nekk xam nañ ni ministre bi ni moom moo jënd ay arme waru la jënd arme ndax armée bi nag ñu am fulla lañu armée dafa organiser te nag ñenn yi ñaar yi fa ma jaaxal ci mbir moom benn dañu dañu dañu dañu banaliser milliard léegi milliard daal dootul dara ba ñu jël ay 45 milliards bu ko jiiñante leneen li ci des mooy yàpp sunu armée bii sunu armée bu organiser bii suñu organe armée bi nga dañu am des inspecteurs techniques yoo xam ne xam nañ fu arme dugg suñu armée bi nga xam ne nañ ba armée ba armée bu arme bu ñu immatriculé ko corps paramilitaire bu bëgg arme armée bi moo la koy jox ñu bàyyi fa ay waxi politique naan lii lii la dugg ak laa la dugg waxuñu ci armes ji affaire Ousmane Sow dañuy

ñu ñëw naan dañuy faagaagal Ousmane Sonko dañuy considérer ne ñun Yewwi Askan Wi dañ ñu parce que nag ñun ñoo ko def suñu champion ñun ñoo ko def mu jiitu ñun ñoo ko def ne dañuy ànd ànd nawle mais ci biir ànd nawle bi dañoo d'accord ni conférence des présidents Khalifa Sall moo koy jiite mu nekk président xaw na sax moom ci boppam yëg ni mooy président ba ma ko naan dañ lay traduire haute cour de justice ak yooyu yëpp parce que dañ ko def comme ñun suñu président de la république boobu cër lañ ko jox itam muy convoqué di santaane di tere ñuy bàyyi loolu moy andu bor générosité du khalis da ngay am générosité ci daraja da ngay am daraja ba paré parce que fi ay leader de parti rek ñoo fi nekk Ousmane Sonko non lañ ko défé suñu champion bu ñuy dem di wut les suffrages des Sénégalais ni ko jiitul bu ñuy dem sen ni ko jiitul yéen sax bu ñuy ñëw ci yéen ni ko jógeel Ziguinchor ñëw jiite conférence de presse lii bëgg ko won wax nañ ko waaye dañ koy def parce que ñun ay gor lañu té du ñu gën a

Nous, ñoo am ku leen bëgg ñu bëgg sa boko gi dañ lay bëgg la bo démé ñu namb la bo démé ñu jaarale la waat ci buntu des gens la bëggul na déglu askanam parce que askan bi un message train de un message bien décodé lañ ko jox ci loolu la nekk ci la nekk ak askan wi ñu ngi leen di di leen justice ni leen on a rien contre nous.

Euh, xam dañuy wéy rek ak euh, ñi nga xamanteni ñom ñoy jël parole ci euh, ndaje mi nga xamanteni wa leader coalition Yewwi Askan Wi woté nañu ko di wajal rek convocation bi nga xamanteni wolu nañ kii di juge bi wolu nako Ousmane Sonko ngir déglu ko ci li dox digganteem ak ki di Adji Sarr ba ñu wéy ci intervention yi. Encore une fois, merci pour votre présence puisque. Comme d'habitude, vous êtes déplacés en masse pour pouvoir nous permettre de parler à tous nos concitoyens. Notre présence ici montre encore une fois de plus que la coalition IUAS n'est rien d'autre qu'une famille. Comme l'a précisé tout à l'heure Meymouna Bousso, le président Khalifa Sall était à l'étranger et pour les besoins de cette audition, il a jugé nécessaire rentrer d'Ardar au Sénégal pour pouvoir marquer de sa présence, de sa solidarité aux présences Ousmane Et Détiéfal, comme elle l'a aussi précisé, est en route pour aussi marquer sa solidarité aux présences Ousmane Et tout cela pour vous dire que Macky Sall, le président de la République, ne se rendent même pas compte qu'il est en train de fortifier la coalition Yugaskanu. La coalition lui, étant une famille, lorsqu'un membre de cette famille est inquiété injustement, tous les membres de cette famille se sont concernés. Pour lui qui pensait que la coalition était terminée au lendemain des élections législatives, il se trompe. C'est une coalition qui perdure c'est une coalition qui sera là jusqu'aux élections présidentielles de 2024. Et nous ferons bloc pour faire face à toute injustice adressée à un membre de cette coalition. Nous nous sommes entretenus avec le président Ousmane Sonko, qui d'ailleurs, comme l'a précisé certains euh, de mes prédécesseurs, ne souhaitait pas en réalité qu'on tienne ce point de presse parce qu'ils considèrent que ça ne vaut pas la peine. Ce qui n'est pas de notre avis, puisque c'est une situation exceptionnelle, une situation importante qui fait que nous devons tous faire bloc. Il a été, il est convoqué demain. Et effectivement, c'est parce qu'il a compris la stratégie du président de la République, le fait de mettre en place des épées de Damoclès sur les têtes de ses opposants pour pouvoir dérouler son programme, ce que le président Sonko a compris et a exigé à être entendu sur le fond de ce dossier. Sur ce dossier, je n'y reviendrai pas. C'est l'affaire des avocats. Nous interviendrons sur le volet politique. Pour dire au président de la République il ferait mieux de respecter le jeu de la démocratie que d'essayer de, d'éliminer des opposants, d'essayer d'éliminer des adversaires potentiels. Il l'a fait avec le président Khalifa Sall. Ça n'a pas marché. Il l'a fait avec Karim Ouad. Ça n'a pas marché et il perdure et s'entête et continue de vouloir le faire avec le président Sonko. L'épisode de mars 2021 n'est qu'un début de ce qui va attendre s'il perdure sur son tête à continuer à vouloir bâillonner les opposants. C'est juste parce qu'il sait que depuis son avènement en 2012, qu'il n'a rien fait. Parce qu'il était convaincu qu'il avait correctement géré les deniers publics, qu'il avait correctement géré ce pays, il n'aurait pas besoin de baïonner des opposants pour pouvoir vouloir obtenir une troisième candidature et un troisième mandat. C'est juste parce qu'il sait qu'il sera sanctionné. Et ce processus a commencé avec les élections locales. Comme vous l'avez tous constaté, il a été battu lors de ces élections locales. Tout récemment, en juillet juillet dernier, lors de ces élections législatives, il a encore une fois de plus été battu et sachant qu'il sera encore battu en 2024, il perdure qu'il s'entête dans cette stratégie mortifère de vouloir bâillonner les opposants. Mais nous lui dirons que ces procédés sont révolus. Il a intérêt à faire jouer la démocratie, à laisser toute opposition exercer ses droits qui lui sont conférés par la Constitution je ne terminerai pas sans parler de la justice. Cette justice qui est devenue le bras armé d'un régime en déperdition. Cette justice, au lieu d'être impartiale, cette justice qui rend la justice au nom du peuple, le rend maintenant au nom d'un régime. Et vous conviendrez avec moi que nous avons deux justice au Sénégal. Une justice pour le régime et une justice les opposants et les oppositions. Quand on est du régime actuel, on n'est jamais inquiété. Nous avons vu des, nous avons vu des criminels qui vaquent à leurs occupations au lieu aujourd'hui de se retrouver au fond des cellules de rebus ou ailleurs, ils vaquent à leurs occupations parce qu'ils ont été traités, soutenus par la justice de Macky Cependant, la justice qu'il a mis en place pour les opposants et les oppositions, cette justice, elle est là pour emprisonner, pour baïonner, pour martyriser. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains des activistes comme Abdou Karim Gay, comme Papito Kara, comme Ousmane Diagne et tant d'autres aujourd'hui croupissent dans les cellules de Rebus, de la prison centrale de Rebus, parce qu'ils sont de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait Absolument rien du tout c'est juste parce qu'ils sont des opposants, c'est parce qu'ils sont des activistes, ils sont contre cette injustice, ils sont contre les procédés de ce régime en perdition qu'ils sont, ont été emprisonnés. Et cela doit cesser. Cela doit cesser. Il appartient au peuple souverain de faire cesser cette façon de faire. Aux juges ils sont, qui sont chargés d'exécuter ces sales besognes. Je ne vais pas généraliser puisque il y a des juges qui rendent la justice au nom du peuple, qui mettent l'éthique au milieu, qui mettent l'éthique en avant dans leur profession. Mais cependant, il y a d'autres juges qui sont animés par l'argent et la carrière. C'est à ces juges-là que je m'adresse, ces juges du régime. À chaque régime, ces juges. Où sont les juges du président Alpha Condé et où se trouve aujourd'hui le président Alpha Condé Où sont les juges de l'ancien président Dadis Camara et où se trouve aujourd'hui Dadis Camara On ne peut pas être, aussi bien qu'on considère qu'on est fort, ce régime finira un jour. Nous dirons à Macky Sall, le président de la République, qu'il est à la fin de son mandat. Il a intérêt à poser des actes conformes à la volonté de nos concitoyens à ces juges qui sont chargés de juger les affaires de nos concitoyens, les contentieux de nos concitoyens, à, plus précisément à ces juges qui sont chargés de juger l'affaire concernant le de son Sonko, nous le rappelons, ils doivent être impartials. À ces juges-là, nous le rappelons qu'ils seront jugés par l'histoire. Nous le rappelons qu'ils seront jugés par le peuple nous leur rappelons, qu'ils seront jugés par le juge ultime. Pour de l'argent, pour une carrière, ils ne devront pas laisser leur dignité, laisser leur personnalité et exécuter des tâches, une volonté d'un président de la République qui ne sait plus quoi faire. Nous lançons un appel à nos concitoyens. Nous leur dirons qu'aujourd'hui la situation est grave elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer. Nous leur demandons de se tenir debout et de faire, bloc avec cette opposition, avec la coalition Yéhua Askanui, pour faire face à ce président de la République obsédé par une troisième candidature. Tous ces stratagèmes, tous ces subterfuges, leur soubassement n'est rien d'autre vouloir poser une troisième candidature, de vouloir éliminer tous ses opposants et de faire face à un peuple qui, sera, qui ne saura plus quoi faire. Et donc cela, nous demandons à nos concitoyens de ne pas permettre à ce président d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons d'être sereins. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un régime qui s'est transformé en sapeur-pompier pyromane. L'objectif du président de la République aujourd'hui, c'est de semer le chaos. Auditionner un opposant ne nécessite pas le déploiement de, toutes les forces, de toutes les forces de défense et de sécurité. C'est une simple audition. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais son objectif, c'est simplement de pousser nos concitoyens à la faute pour pouvoir instaurer le chaos, l'insécurité de mettre en place des régimes d'exception pour pouvoir dérouler, dérouler son programme. Il faudrait que nous comprenions cela. Restons alertes, soyons vigilants, soyons debout, faisons face à ce régime, mais allons-y avec beaucoup de responsabilité. Ne lui permettons pas de dérouler son programme, ce scénario mortifère, parce que son objectif unique, son objectif, le seul objectif qu'il a aujourd'hui, c'est de semer le chaos pour pouvoir avoir une troisième candidature, un euh, troisième mandat. Et ça, il ne faudrait pas que nous lui permettons cela. La raison pour laquelle le président Ousmane Sonko, ayant conscience de cette situation, a demandé à ce qu'il soit entendu. Comment comprenez-vous un dossier qui perdure depuis plus de presque deux ans, disons, bientôt deux ans, pour une affaire privée qui a été dévoyée en une affaire politique donc restons alertes, soyons vigilants et comprenons qu'aujourd'hui, nous avons un président qui est devenu un sapeur-pompier pyromane. Pour tënk ci président Macky Sall di coalition famille les ci famille boobu membre famille bi képp pour nous qui tooñ di inquiéter injustement famille bi yëpp dafay pour considérer ne non it dañ koy inquiété lolu moo def bloc pour faire face à ce régime voyez li ñuy jang ci situation bi monde président de la république Macky Sall dafa jaxlé tàmm bépp opposant boo xam ne nii war na ko mën a gañ ci élection mu def pour pour bundu xataal ko ba du mën a participer ci élection def na ko ak Khalifa Sall doxul def ko ak Karim Sall Karim euh, Wade doxul bëgg ko commencé def ak Ousmane Sonko waaye gis na la xew ci mois de mars bay passé ba mu ca jógee nag mu ne ah lii xew day dootul xam dootul am dem outil doole doole boo xam ne nii ko pour aar Sénégal mais daf ko pour noot askan bi ba ñu ci jógee muy bàyyi dossier bi muy dem di dem teg benn épée de Damoclès ci bopp Ousmane Sonko pour rek bañ ñu participer ci élection yi di ñëw Ousmane Sonko nag loolu la comprendre wax leen ne leen dama bëgg ngeen def tout ba dégg ma ci dossier bi au fond loolu moo waral convocation wu

ñooñu nga xamanteni ni nii ñoom ñooy juger juge yi ñu leen di wax ne leen bu xaalis wala carrière taxee ñu war a bàyyi seen ngor bu xaalis ak carrière taxee ñu war a nërmel askanu lëmu nañu xam ne loolu ëllëg danañ ko layoo ak seen conscience d'abord askan bi danañ ko layoo ak askan bi et danañ ko layoo ak histoire au Sénégal donc loolu lañ leen di wax juge yooyu ne leen lépp lo xam ni nii ñu koy def ci dossier yi nga xam ne nii ñoo en cours nañ ko xam te it japp nañ ne ay na am na ñort bu rafet ne Sénégal dafa am justice bu bu bu bu bu impartial waye ni ñuy doxé gis nañ ne it mën nañu ñaaw suñu xel ba ñu wax né am na justice bo xam ni pour Macky Sall lak ñu ñi mu ak justice bo xam ni pour opposants yi la parce que gis nañ ñu fi def ay njombe yu tollu ni ñay ñu ngi nek di dox ku melni bu Bougazelli

ndax Macky Sall mii ñu ko sekkal nekk na koo xam ne nii gisatul déggatul li mu bëgg mooy toog fi ba 2035 comme ni ko ñu wàndal di waxee loolu waaye loolu dana fi dàkk loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah ki nga xamante ni moo di euh, Cheikh Tidiane Yum bokk ci PUR bokk it euh, ci euh, coalition Yewwi Askan Wi Habib Sy moom mooy jël kaddu nii ñu teewlu ko waa Sénégal asalaamaaleykum kilifa diine Sénégal ci turu yeewi askan wi asalaamaaleykum baykatu Sénégal nappkatu Sénégal sàmm Sénégal ci turu yeewi askan wi ak chauffeur seeg journaliste yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci suñu tur turu président Khalifa Sall nga xam ne président de la conférence des leaders Ni fi jaar léegi wax nañ ko diko ko masawu coono man xawmu nu mu def baax si sax parce que bi la jógee Paris xawmo ma nu mu ba jaar Tanger jaar Casablanca soog a Dakar à trois heures du matin nelawul suñu frère Déthié Fall de ngi ci yoon wi di ñëw ñi fi jaar njëkk jël wax nañ ko pour Asken wi xam ñenn ñi nga xam ne ñi ngi wax ci wi te xamul nan la Moi, nous mooy ñi wax nous sommes famille politique rek léegi boolewuñu mais dafa am ay jikko ay valeur yoo xam ne ñoo ko seddoo bokk ko moo tax ba lii xewee dal ci suñu frère Ousmane Sonko ñu taxaw taxawaay bu mel nii réew mi nag mën nañoo wax ne jaxooti na réew mi yëngooti na Macky ci boppam tëggati na nëndëm jibul jàmm ndaxte ca Sénégal bu njëkk ga buñ mës a réew mag ñi dañuy tëdd tëgg réew jiwul jàmm lu tax ñu ne tëgg na ndëndu jibul jàmm mooy kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko wax nañu ko moom mi nga xam ne moom lañu ñu wekk complot bi adduna yépp xam ko mu xawal ko boppam sëkkatal leen wax ak ay avocat am bëgg ñu woo bu ci atte waree ñu atte ma ngir que loolu faree gannaaw jàmm am ci réew mi waa ki nga xam ne moom moom moom yëf wax loolu ana lu ci génne fetal ana lu ci génne ay bataillon gendarmerie ana lu ci indi police ana lu ci indi ana lu ci indi ana lu ci indi kon ma lima wax léegi réewu senegal ngeen xam ne Macky Sall ci bopam ak gouvernement ñom ñoy yé yee walé nak bu ñu ak ñiñ ko séxat fi Nous ñun ak mom xamanté nañu fils. wax le 3 mars ba le 8 mars nous avons nekk ba léegi dara jogu fi bu yaakaaree ne défaite boobu mu amoon mars daf ko bëgg a fayu ci lii mooy mi ngi nax boppam ndaxte saytaane baaxut rawatina ci nga xam ne mooy jiitam réew mais damay wax ne Macky Sall contrairement à ce que pensent certains est une médiocrité politique Expression que j'emprunte d'ailleurs à Trotsky, qui disait de Staline qu'il est la plus éminente médiocrité du parti. Macky est une éminente médiocrité politique. par exemple chef d'état la nga war a xam buñ tëjee bunt ba fa ngay jaar ba mais dans ce dossier de Ousmane Sonko Macky Sall s'est tiré une balle dans les pieds ñaar mooy am ci moom soit mu jéem a Ousmane Sonko te mënu ko moom ci soit ñu bàyyi ko te loolu mooy am te du ci mucc donc comme on dit il est impossible de sauver le soldat Macky Sall. qui peut le sauver personne. waxoon naa ko ko fii artu ko ne ko bul ko jéem mais dafa dëgër bokk di ko jéem mais je y a un problème de cerveau comme je dis comme m'a dit ma petite fille l'île de ci alors moo tax bu un problème, ci ni politique à chaque fois qu'il essaie il réussit à échouer il réussit à échouer ne vous laissez pas impressionner par ce qu'il fait en termes d'infrastructures. Rien n'est sorti de sa tête. Tout cela sont des projets du président Ablaïwad. Moi-même, j'y ai travaillé en tant que ministre chargé des infrastructures. Le terre, le BRT, je suis allé même jusqu'à Prague pour, pour, le négocier. Il n'a fait que suivre le tracé que nous avions déjà réalisé pour le futur tramway. Les autoroutes, Dakar, Saint-Louis, etc. Tout ça, rien n'est sorti de sa tête. Rien, je vous le dis, et je le défie. rien. Ne vous laissez pas impressionner. Alors, celui-là. Donc, de rek, moi, Dieu me def pour que le troisième candidature présidence de la république comme il a éliminé d'éminents leaders politiques Khalifa Sall il se dit que les guillemets qui Ousmane Sonko mais il se trompe il ne peut pas le réussir parce que le peuple la jeunesse est avec Ousmane Sonko c'est Chateaubriand qui disait avant les révolutions d'éminents esprits meurent dans l'oubli parce que leur public n'est pas arrivé. Après les révolutions, d'éminents esprits aussi meurent dans l'oubli parce que leur public est parti. Et aujourd'hui, c'est le public d'Ousmane Sonko qui est arrivé, il faut qu'il l'accepte. Son public est parti, lui. a il de vie qui tali bi kenn lu nekk jéem na ko jëre oto nangam nangam et cetera dem ci place bi kenn faale wu ko quand fait son que tour mais c'est tout le Sénégal qui se lève topp ko c'est extraordinaire Pourquoi ko waxee que ñun dañu ànd Ousmane Sonko comme ça rek c'est parce que comme je l'ai dit on partage des valeurs nous tous ici alors il faut qu'il arrête il faut qu'il le comprenne lui Macky Sall la justice et li que je ne moom la fi Macky réussir surtout mooy décrédibiliser la valeur de nos institutions jusqu'à l'institution des forces de défense et de sécurité Abdou Diouf Defoko, Senghor Defouko, Abdoulaye Wade mais aujourd'hui y a un peu dans nos forces de sécurité qui tout ce gendarmerie ce que police etc police, etc. ñu dig alors que c'est une institution le fondement de la nation que l'on doit préserver institution président de la république heureusement pour l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on est en train de réhabiliter le, la crédibilité de l'Assemblée nationale par, par l'opposition. Heureusement. La justice. La justice, la justice. Vous, magistrats, qui nous jugez, et surtout pour ce cas d'Ousmane Sonko, c'est une occasion historique pour que Nilen askanui di xoolee ngeen dindi vous avez une référence c'est Kebambaï. peut-être qu'il n'était pas le meilleur juriste du Sénégal et de l'Afrique mais Diko, kadou éthique Takoti ko ci dëgg Sénégal devenant le magistrat ngay Sénégal personne n'ignore Kebambaï. il a honoré la justice je vais citer un pays, ami à côté, la Guinée. La justice était à terre. Mais avec cette affaire du 28 septembre, ah, les magistrats sont en train d'en profiter pour redorer leur blason. Ça fait une autre perception de, au niveau du peuple. Il y a le que suivre. Aujourd'hui, à crié Conakry, on applaudit les magistrats ils vont nous dépasser. Alors que vous êtes les premiers, vous êtes même les plus forts, on le dit. Vous êtes dans de meilleures conditions. Donc, n'acceptez pas, n'acceptez pas d'être soumis à ce régime finissant. C'est fini. magistrat parce que mon Sénégal li nga xam mom moom askan wi gisee di leen ko teg ngeen profiter ci li dindi ko pour changer mën na commencer ci benn nit c'est pour cela que ce juge d'instruction a une responsabilité historique aujourd'hui n'ayez pas peur dañ justice vous la rendez au nom du peuple sénégalais ce n'est pas au nom de Macky Sall ce n'est pas au nom de son gouvernement. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit. Non, votre conscience et, comme on le dit, euh, conviction intime, vous devez aujourd'hui, monsieur le juge, entendre Ousmane Sonko et comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un complot. Parce que vous, mais comme je disais tout à l'heure, Macky Sall ne sait même pas comment organiser un complot en tant que chef d'État Comment organiser un complot qui est nit lan et je voudrais aussi m'adresser à la communauté internationale parce qu'il est en train de plastronner aux États-Unis, Nations Unies, président de l'unité africaine, il va en Arabie Saoudite, etc. Mais de grâce, Venez, venez, allez en profondeur, vous, de la communauté internationale, pour savoir ce qui se passe chez nous. Pourquoi vous ne nous parlez pas Pourquoi vous ne parlez pas à Khalifa Salah, à Edembo et aux autres Le Sénégal, ce n'est pas tout simplement Makissal. Il vous vend un vernis. Ce n'est pas la réalité. Creusez. Et quand vous creuserez, vous comprendrez que la démocratie sénégalaise est en recul, elle est moribonde aujourd'hui. Vous comprendrez que dans ce pays, on bafoue des libertés. Vous comprendrez dans ce pays qu'il y a un président de la République qui ne veut pas respecter les dispositions de sa constitution. Ça est plus grave. Quel est parmi les chefs d'État auxquels il rend visite qui va se permettre d'acheter des armes de guerre, des fusils d'assaut pour des agents de forêt, des lacrymogènes. Mais contre qui Les hyènes et les sangliers. Je pose la question. C'est un scandale. Quand un de vos collègues prend des décisions de cette nature, vous devez vous poser des questions savoir qu'il y a des choses qui ne vont, qui vont, pas dans ce pays. En tout cas, il doit se résoudre et comprendre qu'une troisième candidature est impossible. Il doit se résoudre et comprendre qu'il preuve, qu'il sonne une lèche que Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle en 2024. Inch'Allah, Khalifa Sall le sera. Inch'Allah, Kaiwad le cela. C'est ça aujourd'hui le Sénégal, rien d'autre. Donc, nous profitons de cette occasion pour vous remercier, vous de la presse. Je vous remercie, ne vous remercie, fi vous remercie, je vous jëm je Ousmane Sonko je vous remercie. ko waxtaan ak moom di wax militant yi nañu toog dégg nañu li leen Ousmane Sonko di wax dana wax ak yéen na ngeen ko jëfee boo nekkee militan aussi da ngay mën a déglu sa kilifa bul ñaay li nga xam ne moom la wax loolu ci yar ak teggin la bokk Ousmane ñàkkul fula ñàkkul fayda ñu ngi ko seet xërk ñàkkuñu fula ñàkkul fay ñàkkul fayda bu amee loo xam ne lii war nañ ko def ñun ñëpp dañ jël suñu responsabilité ne leen lii la ñu war a def mais bu ne leen toog leen ngeen déglu ñu nag Ousmane Sow ko wax leen ko na ngeen toog ngeen déglu ko loolu daal monsieur le président ci gàttal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko fi yëkkati di leen sant leen di gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa merci mu ngoog euh, ba léegi euh, mu doonoon kàdduy Habib Si euh, bok ci leader yu coalition Yewi Askan Wi ci ndaje bi nga xamanteni ñu ngi koy amal ba 11h jotee ba léegi ngeen bal ma di wax rek ci convocation Ousmane Sonko bi nga xamanteni doyen des juges daf ko wolu ni ki ëllëg mu wara dem nak wuyu ji. ci li dox digantem mom ak mom Sonko ak ki di. Euh, Adji Sarr Ousmane Sonko ñu war ko auditionné euh, dans le fond ni ki euh, ëllëg ci alxames gi yem ak ñetti fan ci weeru novembre daanaka nag ñi àddu yëpp gannaaw xalifa Sall mi nga xamante ni mooy président de la conférence des leaders kàddu yi mu yëkkati tegu na ci moom kii di Cheikh Tidiane Dieye moom nag wax na lu bëri rawatina ci li nga xamante ni

à une tentative euh, de liquidation politique sur fond de complot d'État. Euh, autant ils vont rappeler cela, parce qu'ils ont l'habitude de le rappeler, mais autant aussi nous autres, nous allons rappeler que ce dossier est un dossier très simple. C'est un cas de meurtre qui a eu malheureusement une déclinaison judiciaire. Comme il en existe parfois dans nos quartiers, dans nos maisons, bref, dans nos environnements immédiats. C'est vrai, ce sont des cas très malheureux, des cas de viol avec déclinaison judiciaire, mais ce sont des cas qui n'est pas de personne. Aujourd'hui, en prison, vous allez voir un des nôtres, quand même, aujourd'hui en train de croupir en prison pour ces mêmes cas. Mais ce n'est pas une raison. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous bénéficiez d'un certain aura aux yeux de l'opinion euh, que votre cas euh, devrait effectivement alarmer toute l'opinion nationale. Moi, je fais personnellement partie des Sénégalais qui continuent encore à respecter la présomption d'innocence de M. Ousmane Sonko. Mais c'est le genre de déclaration que je viens d'entendre de la part euh, de papy comme euh, euh, M. Abibsi et M. Khalifa Sall, qui malheureusement sont en train d'amorcer le dernier virage de leur carrière politique en tanguant dangereusement vers la radicalisation. Mais, est-ce que, M. le ministre, au regard de la tournure des événements, est-ce que, est-ce que leur déclaration euh, ne peuvent pas être. Euh, est-ce que leur déclaration, euh, comment dirais-je, est-ce qu'ils n'ont pas raison, je veux dire, pour, dire que en tout cas, voilà, c'est tout juste un complot. Mais écoute, Barthélemy, ces déclarations ainsi que les sempiternelles réactions du concerné lui-même, Ousmane Sonko, n'ont qu'un seul mérite, celui de nous rendre quand même dubitatifs par rapport même à la euh, euh, à la présomption d'innocence de la personne concernée. C'est Ousmane Sonko lui-même qui le rappelle chaque fois qu'il va en découdre finalement avec la justice. Il a envie de montrer à tout le monde qu'il est innocent. Donc aujourd'hui, s'ils font ces déclarations malheureuses, cela quand même euh, nous rend un peu dissatisfaits par rapport même à l'innocence de la personne. Aujourd'hui, de présomption d'innocence, de, de, progressivement, moi en tout cas en personne, je commence quand même à présumer de la culpabilité de la personne. En tout cas, si je dois dire des choses à l'opposition, c'est de rester calme et de rester serein. Demain, de ne pas créer de la bagarre. Et je le dis, Barthélemy, euh, quand je les ai entendus évoquer le mois de mars comme référentiel par rapport aux actions qu'ils entreprennent de faire demain, j'ai été ahuri. Je vois des gens qui n'ont aucun respect, vis-à-vis des morts, des 14 morts qu'eux-mêmes ils ont provoqués. non, mais, mais, mais, mais, eux, ils n'ont pas prévu d'action. Non, non, non. Ils, ont, ils, ont, juste dit hein, que, euh, au regard, au regard euh, du déploiement des forces de l'ordre sur le terrain, on a l'impression que c'est le gouvernement plutôt qui est en train de provoquer. Barthélemy, ils l'ont évoqué parce qu'eux-mêmes qui disent que les gens qui étaient là sont encore là, les actions sont encore là. Donc, en évoquant le mois de mars, moi j'ai été à Rue, hum. et j'ai vu des gens qui n'ont aucun respect vis-à-vis des familles des victimes, qui n'ont aucun respect vis-à-vis des Sénégalais qui ont subi les contre-coups économiques, quand même des dégâts qui ont été enregistrés au mois de mars. Mais je le dis que le contexte a changé. Et demain, euh, ben, les gens verront que l'État est, est, debout et il fera face. Donc moi, en tout cas, personnellement, si je dois me permettre de donner des conseils, notamment à Ousmane Sonko, c'est de lui demander d'aller répondre dans le calme, dans la paix et avec sérénité. Demain, la justice fera son travail, le greffier fera son travail, les juges d'instruction feront leur travail. Ces brillants avocats, 15 au total, feront leur travail et rempliront leur mission. Et le droit sera au profit d'un Sénégalais. Que le Sénégalais s'appelle Ousmane Sonko ou bien que le Sénégalais s'appelle Adissar. Mais ça nous importe peu, nous, Sénégalais. Nous voulons que cette affaire-là termine dans la paix et dans le calme et plus dans la sérénité. Mhm. Voilà, donc je vais finir quand même euh, par lancer un appel solennel à l'endroit des Sénégalais, notamment les jeunes. Je leur demande de refuser qu'on le prenne comme du commissaire. que des politiciens en perte de vitesse. Qui le matin disent qu'une fois à l'Assemblée nationale, ils vont démissionner de leur poste de maire, mais qui aujourd'hui encore continuent à siéger à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais qui disent aujourd'hui que, Inch'Allah, une fois à l'Assemblée nationale, ils vont tout faire pour rationaliser les ressources de l'État et qui aujourd'hui refusent de prendre 400 000 francs et demandent des Prado, des 4x4 euh, euh, euh, de luxe, hein, ces Sénégalais-là les jeunes doivent refuser de les écouter. Je demande aux jeunes de ne pas accepter demain d'être la chef de canon de qui que ce soit. Mhm. Et Je leur demande demain de vaquer tranquillement à leurs occupations et en toute tranquillité. L'État fera face. Mhm. L'État, les forces de défense ben, seront aux côtés des populations. Ils seront sécurisés, et mais aussi leurs biens seront sécurisés. Mhm. Donc voilà effectivement ce que je voulais demander aux jeunes. De refuser qu'on instrumentalise leurs préoccupations de bien-être social. C'est vrai, les temps sont durs, c'est vrai, il y a une grande difficulté, c'est vrai, le chemin, il est là, mais ce n'est pas ces gens-là qui ont la solution. La solution, c'est avec le président Macky la solution, c'est avec l'État. Mhm. Ils doivent être avec l'État, ils doivent encore être conscients que le président Labus aujourd'hui est en train de trouver des solutions par rapport aux nombreux mots a lui-même hérité. D'accord. Euh, voilà le message que je voulais euh, lancer, à l'endroit de tous les jeunes Sénégalais, mhm. dont aujourd'hui j'ai la, lourde responsabilité de prendre en charge quand même un certain nombre de préoccupations. En tant que ministre de la Jeunesse, bien sûr. Euh, Pape Malick Ndour, peut-être ci wolof euh, sa réaction leader coalition qui def convocation Ousmane Ousmane Sonko mais man d'accord accord ma su fekkee dañoo bëgg assimiler li xew comme benn tentative de liquidation politique loolu amu fi ñoom nag am nañu habitude di ko rappeler sénégalais yi waaye ñu ni tamit duñu tàyyi di rappeler ñëpp ne mbir mi mbiru viol présumé la te loolu chaque jour ñu gis ko suñu koñ yi chaque jour ñu gis ko suñu quartier yi suñu environnement immédiat chaque jour ñu gis ko suñu ay mbokk yi suñu bopp mbokk ñu ngi leen di accuser si mel noonu tey soo xoolee tey am na ku nekk ci yoon yoon teg ko loxo du ma tudd turam mais da ngeen ko xam

deful laalewul commencé nañu am ay doute ci li nga xam ne moom lay def te yaakaar naa Sénégal yu bëri ñu ngi seet loolu. mais mais est ce que bu ñu xoolee bu ñu xoolee li li ñu li li ñu defoon Khalifa Sall ak Karim Wade est ce que euh, mënuñu leen a jox dëgg ñoom ñi wax mbirum complot. waaw mais ban loolu bokkul ñooñu yoon na leen topp ci ay mbiru leer yoo xam ne bu ñu demee wane nañ d' ailleurs même dama bëggoon Ousmane Sonko mu jël exemple mais fii Mamadou Dia fii Ablaye bi nga xam ne ak ay grave meurtre en 1993 de Babacar Seye jaar na fi Idriss Seck jaar na fi président Macky Sall jaar na fi seen kilifa yàgg nañ ko woo ci yoon c'est vrai nag ñu particularité cette fois-ci mooy c'est la première fois ñu woo kilifa ci yu mel nii kilifa dañ ko doon woo ci yu gën a sérieux peut-être mais tey peut-être loolu mooy particularité mbir mi man daal li may wax mooy opposition bi nañu calme nañu am sérénité nañu éviter bagarre suba nañu dem

xottale balaa ngaa lakkale la nit ñi wax nguur gi si rôle am la ñoom nag seen rôle mooy ñu ñàkk a manqué respect ñi nga xam ne ñoom ñoo deewoon ci mbir ma te ñoom ñu sooke woon ko ñoom seen rôle xam nga mooy lan mooy nañu tey xam ne ñoom si seen bopp am na ñu intérêt jàmm am ci réew bi ndax ñoom ay opposition républicain la ñuy def opposant républicain la ñuy définir seen bopp waaye nag maa ngi leen di wax ne leen contexte bi dafa changé la woon mars newul tey te yaakaar naa suba dinañu gis li nga xam ne moo koy xew en tout cas en résumé su ma amee conseil daal boo xam ne dinaa leen ko jox ñoom ak Ousmane Sonko nañu dem wuy ji jàmm. Mhm. wuy ji salaam wuy ji sérénité suba suñu demee greffier bi dina génne ay papiyam liggéey liggéeyam juge d'instruction bi liggéey liggéeyam moom am na quinze avocats yu xarañ yu am xam-xam ñooñu tamit suñu liggéey seen liggéey yaakaar naa justice dina wax liggéeyam dina def liggéeyam te justice dafay liggéeyam mu nekk au profit ou contre Ousmane wala Adji Sarr ñun Sénégalais ça nous importe peu moom ci boppam moom moo ne am na ay preuve yoo xam ne bëgg na ko teg il a l'occasion de le faire nañ ñu may jàmm li nga xam ne nag mënu ma ko ñàkk def en tant que ministre de la jeunesse mooy ma woo xale yi surtout xale yi ñu calme bañ ñu leen di servir loo de bouc émissaire ña ca demoon ba loru fàtte nañ seen tur fàtte nañ seen njaboot kenn toppatootu leen nañu calme nañu sérieux d'accord suba nañu bañ nekk ay séra à ci opposition boo xam ne dañu naan ñun suñu falee du ñu def cumul mandat tey ñu nga falee di cumuler ñaari mandat opposition boo xam ne dañ noon suñu falee ñun dañuy sakkanal xaalisu réew mi président Macky Sall proposé leen benn chemin de sakkanal ñu ne ñoom nanguwuñ ko ay prado yu bokkee ne lañu soxla ba ciy xuloo ci biir assemblée nationale nañu bañ loolu suba hmm. nañu dem bate à leur occupation état bi déployé wu na non pas pour xeex ak ñoom mais déployé wu na pour sécuriser leen ñoom jeunes kenn bañ leen lor hmm. état bi déployé wul pour toroxal leen de état bi dafa déployé wu pour képp ku bugg a liggéey suba nga mun a liggéey si jàmm teraanga ak salaam loolu mooy Sénégal mhm. merci voilà bu ñu nangu mhm. ñuy instrumentaliser seen préoccupation sociale di leen gëmloo ne lii leen dal ci wàllu jafe-jafe àdduna te ñëpp xam ne ne àdduna bi moom métti président Macky Sall moo leen ko créé wala moo ko provoqué donc nañu calme nañu terrain ku nekk suba su xëyee ñu war a jàngi nañu jàngi ñu war a dem tool dem tool ñu war a dem bureau dem bureau jàmm nañ ñooy Ousmane loolu lañ koy ñaan ñu ngi ñaan yàlla nag may Sénégal jàmm waaye Ousmane Sonko euh, Ndour ministre de la jeunesse une réaction euh, suite. Euh, euh, aux déclarations euh, de, de, la conférence des leaders de la coalition Yewi Askanwi, qui, je le rappelle, était tout à l'heure face, euh, face à la presse. J'annonce également que tout à l'heure, à partir de 16h, Ousmane Sonko va faire une déclaration. donc, Ousmane Sonko, donc, il va faire une déclaration tout à l'heure à 16h, à la veille de l'audition du leader de PASTEF, justement, la coordination des associations de presse, la CAP, à sensibiliser les journalistes sur la couverture médiatique de cet événement. Mamoudou Chor euh, appelle les acteurs des médias à être vigilants et à traiter l'information juste et équitable. Le président du Corée euh, l'a dit tout à l'heure euh, lors d'une rencontre de la CAP, rencontre face à la presse. Nous écoutons à ce propos Mamoudou Chor, interrogé par Mamadou Ramadialou. C'est une journée, euh, comme toutes les journées, nous avons couvert euh, pas mal d'événements euh, tendus. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est le lot de notre travail. C'est comme les militaires par rapport aux journalistes et par rapport à l'audition de Ousmane Sonko, nous les invitons à faire un travail professionnel. Euh, nous ne réinventons pas la roue. Soyez le plus professionnel euh, possible, soyez factuel. Donc, euh, il ne faut pas mélanger les gens dans les commentaires et trucs. Vous êtes sur le terrain, donc vous faites du factuel, rendez compte de ce que vous voyez, sans exagération, parce qu'aussi, il faut déplorer le fait qu'il y a des journalistes qui font dans l'exagération. Au lieu de dire cassé, casser, on dit fracasser. Des termes qui font peur. Ça ne doit pas être notre rôle de, rajouter à euh, une peur, à une peur euh, ambiante dans, ce pays-là. Nous devons plutôt faire dans un registre euh, vraiment beaucoup plus posé beaucoup plus professionnel. faisons attention aux mots que nous, utilisons, On ne comprend pas. Aujourd'hui, vous, vous lisez certains médias, mais vous vous dites après, est-ce que nous avons, nous avons couvert les mêmes événements Parce qu'il y, en a qui, qui, ne font que dans l'exagération. Et ça aussi, ça ne participe pas à notre crédibilisation. Donc, euh, c'est à, cela que nous vous appelons. Soyez le plus professionnel possible et faites attention. Les forces de défense et de sécurité, elles font leur travail. Si il vous donne des injonctions qui vont pour votre bien, donc euh, souvent, s'il vous demande d'obtempérer, il faut, obtempérer. Et soyez au bon endroit au bon moment. Voilà, soyez au bon endroit au bon moment. Message adressé aux journalistes euh, par euh, la coordination des associations de presse qui sensibilisent donc les journalistes, surtout, surtout vous m'excusez, surtout par rapport à la journée euh, de demain. Alors, euh, je vais prendre maintenant les deux intervenants euh, de point de vue qui étaient prévus donc après le journal, mais malheureusement avec l'édition spéciale, il n'y a pas eu de journal. Les deux intervenants, Omar Sek Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en médias, notre deuxième intervenant, Mam Gorngom. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour Barthélémy Vous êtes journaliste, journaliste formateur, auteur de billets de salon qui traite de l'affaire Suite Beauté justement. Alors, je reste avec vous, euh, Monsieur Mamgon euh, Ngom. Euh, d'abord, euh, que moi vous voyez un peu, vous appréciez cette convocation de, Ousmane Sonko et, surtout les déclarations certainement que vous avez entendues tout à l'heure venant de la conférence des leaders Oui, je pense qu'il il y a deux analyses qui peuvent être faites de, cette convocation. Hmm. La première est qu'elle est, est normale, c'est la marche normale des choses. C'est que euh, la concernée, C'est une affaire qui concerne deux citoyens sénégalais. La principale concernée, Adi Rabissar, a été entendue. c'est tout à fait logique que Ousmane Sonko, l'autre concerné, soit, soit entendu. Donc ça, c'est euh, l'analyse la, euh, judiciaire. Mhm. Mais euh, comme c'est un homme politique qui est aussi convoqué, et depuis l'éclatement de cette affaire en mars 2021, on a su on a vu, on a constaté qu'il y a eu des ramifications politiques, souvent politiciennes. Ah, ça, aussi, c'est dans la marche normale des choses. Mhm. Euh, les hommes politiques disent souvent, <laughs> c'est l'ex-président Abayouad qui le disait, que les procès euh, se gagnent pas, au tribunal, les procès politiques <laughs> hein, se gagnent pas au tribunal, mais, dans, dans les rues, mhm. il y a une, cette bataille de l'opinion. se, gagne au tribunal de l'opinion. Oui, au tribunal de l'opinion, justement. Maintenant, il y a, cette bataille de l'opinion qui est, là, présente depuis mars 2021. Aujourd'hui aussi, cette bataille de l'opinion continue et elle se poursuivra, je pense que jusqu'au procès, s'il y, a, y a bien sûr procès. Mhm. D'accord. Euh, je reviens à vous tout à l'heure. Omar Sekindiaï, vous personnellement, quelle analyse faites-vous de cette situation et, sur la déclaration des, différents, des différents leaders euh, tout à l'heure Oui, moi je pense qu'il faut voir cette, euh, convocation à à deux niveaux. Au niveau judiciaire, je pense que c'est dans l'ordre euh, des choses. Mhm. Mais ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'environnement dans lequel cette convocation intervient. Mhm. L'environnement, le contexte. Oui, le contexte, oui. Mhm. Le contexte et euh, le, passé récent <laughs> si on peut s'exprimer ainsi, euh, en faisant référence aux événements de, mars 2021. Donc, c'est un procès qui s'inscrit dans une dynamique assez particulière. Mhm. Bon, si on est seulement sur le terrain judiciaire, c'est tout à fait normal. Donc, euh, quand on a un conflit, c'est normal d'être convoqué pour être entendu. Mhm. Mais je pense qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en, compte. Depuis quelques jours, on a vu des informations, des annonces radio sur les postes de passé de sécurité, vrai ou faux. Mais ça crée aussi une sorte de, paranoïa mhm. qui met un peu le pays sous forme de tension. Aujourd'hui, les gens se demandent est-ce que demain je pourrais sortir, est-ce que je ne pourrais pas sortir. vous, évoquez un peu le, déploiement de la force publique. Euh. ça, crée une sorte de paranoïa, ça crée une sorte de pression, ça crée un environnement délétère, les gens se posent des questions. Mm-hmm. Alors que pour une convocation, que le leader politique, quel qu'il soit, aille répondre, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mm-hmm. Maintenant, je pense que c'est ce redéploiement, ces informations qui fuitent sur des messages des forces de sécurité, ça crée un autre contexte qui surchauffe un peu euh, l'ambiance, Maintenant, chacun se fait son opinion. Et justement, les leaders, les leaders de la coalition Yéwi pensent que c'est une provocation euh, qui ne dit pas son nom. Oui, c'est ça. Parce que aussi, c'est normal. Ils, soutiennent euh, euh, un protagoniste qui est Ousmane, Ousmane mhm. qui, est des, leurs. Il y a la dynamique de la solidarité, il y a la bataille politique pour la conquête de, l'opinion, pour prévoir tous les scénarios. Mhm. Bon, je pense que c'est ça la spécificité de ce, procès. Surtout, moi, ce que je retiens surtout, c'est l'environnement, l'ambiance qui a été créée. À quelle fin Je ne sais pas. Est-ce que pour faire pour la population Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça... Euh, euh, personne ne pense à l'aspect judiciaire. Tout le monde se focalise sur l'aspect politique et pour ne pas dire euh, <laughs> politique politicienne. Mhm. Donc, et puis, n'oublions pas que aussi beaucoup de personnes inscrivent ce procès à raison ou à tort dans le débat pour ou contre le troisième mandat du, président. Mhm. Les gens disent que c'est dans un processus d'élimination de candidats, parce qu'il y a eu aussi l'affaire Kariwad, il y a eu l'affaire euh, où des candidats ont été éliminés sur une base judiciaire avec des relents politiques. Donc tout ça donne une lumière assez particulière sur euh, sur cette convocation. Et puis aussi, pourquoi ça a pris tout ce temps-là Depuis qu'on a écouté les autres protagonistes, pourquoi mettre autant de temps pour convoquer euh, quelqu'un. C'est vrai que c'est lié à la personnalité de la, personne, qui est un leader politique émergent. Tout ça euh, fait que, bon, il y a quand même problème, surtout par rapport au, redéploiement, des forces de défense et de sécurité. Mhm. Moi, ça me pose problème. Ah, ça vous pose problème. Alors, euh, je reviens à vous tout à l'heure, M. Seka. Monsieur Ngom, comment vous appréciez tout cela, surtout que les leaders de Yewi pensent que c'est un complot visant à nuire un adversaire je pense que pour ça, il y a une constance dans les mots utilisés et, dans la démarche. Mhm. Euh, c'est le même champ lexical, complot. Euh, mais de l'autre côté aussi, on, sent que euh, la démarche aussi ne, change pas. Moi, j'étais un peu étonné quand j'ai vu qu'il y a ce redéploiement, ce déploiement de, l'armée de la force publique. De la force publique pour une simple convocation. Est-ce qu'ils sont en train de redouter quelque chose Est-ce qu'ils sont dans la paranoïa, dans la pure paranoïa Est-ce qu'ils préparent quelque chose qui va peut-être au-delà <laughs> d'une simple audition, parce qu'une simple audition ne poserait pas, que vous ne pensez pas que l'État aussi euh, doit, avoir, doit prendre les devants au regard de ce qui s'est passé Oui, euh, c'est tout à fait normal, c'est mhm. tout à fait normal, mais je pense que pour une simple convocation, euh, Ousmane Sonko lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien être convoqué, entendu, mhm. et qu'il est qu'il serait même prêt pour un, procès. Je pense que euh, ces partisans euh, ne doivent pas éviter ça. Et, je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec lui. Mhm. Donc pourquoi, pour une simple convocation, on, fait il y a toute cette débauche d'énergie, euh, c'est symbole surtout, c'est ce qui m'a intrigué la fois dernière. Ce qui, est, ce qui paraissait compliqué maintenant, les gens commence à décrypter même les, signes, les signes de, de, la police. On parle de Oscar Sierra et tout, autre. Je pense que ça, ce n'est pas bon pour, un État, ce mhm. n'est pas bon pour la République, ce n'est pas bon, pour les institutions. On, gagnerait à être beaucoup plus serein dans un contexte bien déterminé. Euh, il y a une affaire, c'est une affaire mhm. qui concerne deux Sénégalais, même si l'autre Sénégalais est un Sénégalais particulier. Euh, il y a eu euh, des précédents, a, parce qu'on a su que depuis février-mars 2021, mhm. il, y a, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais cette affaire aussi a fait des erreurs, parce que Ousmane Sonko est devenu de plus en plus populaire, mhm. même des gens qui sont avec lui, ou bien des, même des figures euh, de l'espace public sont connues <laughs> par rapport à, grâce à cette affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mhm. Donc, il faut je pense, euh, beaucoup plus de sérénité pour aborder la, la, chose avec sérénité et, je pense que euh, on pourrait euh, s'en sortir. Sinon, on risque d'assister à un février-mars bis, 2021 mm. bis, et ce serait vraiment dommage pour on, ce On ne le souhaite pas, oui. personne ne le souhaite. Mm-hmm mais euh, ce serait dangereux et, puis ce serait une perte énorme, encore d'autres pertes pour le, pour le pays, pour une affaire qui, qui, qui, qui doit être traitée de manière sereine, euh, et que euh, s'il y a procès, si, on devait s'acheminer vers un procès, on tient un procès et, on, passe à autre chose. À autre chose. Merci beaucoup, Mme Gorgom, journaliste formateur, auteur euh, de billets de salon qui traite justement de l'affaire Suite Beauté. Omar Sekindia, je termine avec vous. Est-ce que Ousmane Sonko, en personne même, ne gagnerait pas à ce que cette affaire soit vidée Oui, moi je pense que Ousmane Sonko gagnerait à ce que cette affaire soit vidée pour la sérénité d'abord de l'homme politique mais aussi pour la sérénité euh, au niveau du, climat social et, politique. Mhm. Mais je pense que rien n'est fait pour, euh, pour aller dans cette euh, direction, vu le redéploiement, vu... Parce que je pense que le dossier est d'abord judiciaire, mais il est tellement parasité au niveau, au niveau politique. Mhm. Et puis moi, ce qui me, ce qui me choque dans cette histoire-là, l'accent est mis sur le, sur le procès Ousmane Sango, mais n'oublions pas, il y a 14 morts. Est-ce que ces 14 morts-là, est-ce qu'ils vont passer, passer à perte de profit Personne n'en parle. Et, moi, à mon avis, c'est aussi un mauvais, un mauvais signal. C'est comme si l'État voulait dire aux gens, vous voyez, il y a eu 14 morts, si vous faites le malin, que vous sortiez dans la rue, que vous vous c'est vous qui perdrez. Moi, je vois ça comme un, comme signal. Mhm. Et maintenant, par rapport à, son coup pour revenir à son coup, je pense qu'il gagnerait. Mais euh, ce n'est pas son coup qui a la de la justice il répond à une, convocation. Mhm. C'est pas lui qui établit le calendrier, c'est pas lui qui établit le timing. Et ce qui est dramatique, c'est de l'établir, c'est d'ajuster le calendrier judiciaire à un calendrier politique, avec des calculs qui ne disent pas leur nom. Et le danger aussi, c'est de faire traîner le dossier jusqu'à la veille de 2024. Tout ça pour handicaper un rival euh, politique. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent parasiter mhm. l'aspect judiciaire. Et, et, ce qui est dommage, c'est que l'aspect judiciaire devient même anecdotique. Personne ne, se focalise sur l'aspect judiciaire. C'est plus l'aspect politique, les implications, les non-dits. Et ça nous interpelle aussi, même sur d'autres problématiques qui interviennent. C'est l'indépendance de la justice. Est-ce que notre justice a les mains, libres Est-ce que c'est notre justice Mais en, tout cas, la, plupart des leaders qui ont pris la parole ce matin ont remis en cause cette indépendance de la justice. Non, mais, je pense qu'il est visible de s'interpeller sur la question de l'indépendance de la justice. Et il y a des faits qui le, prouvent. Euh, quand on est du régime on a vu le traitement qui se fait. je ne dirais pas que toute la justice est, fourrie, pourrie, mhm. mais quand même, il y a des pays qui, nous font douter euh, d'une justice honnête, indépendante, et que, euh, qui ne suit pas un agenda politique, <laughs> donc politique, pour neutraliser des adversaires. Mhm. C'est ça qui est inquiétant dans ce dossier. Et pour revenir sur ça, c'est un dossier où l'aspect judiciaire devient anecdotique. C'est ça qui est dommage. Alors que c'est un, un, procès entre deux citoyens euh, sénégalais, mais personne n'a parlé l'aspect judiciaire. C'est pour mhm. l'aspect politique. Et dire que c'est un, un, complot. L'aspect politique a pris le dessus sur l'aspect judiciaire. Donc, l'aspect judiciaire devient anecdotique. C'est l'aspect politique pour qui, euh, qui a, a mort. Et comme j'ai dit, n'oublions pas le, le contexte et les acteurs. Son cause, c'est un adversaire et, comme je dirais, la bête noire en ce moment du président de la République. Mhm. On parle de la question du, troisième mandat et on ne peut pas éliminer cette, euh, ce contexte de l'évolution du, dossier. Et pourquoi ça prend tant de, pourquoi ça prend tant de temps Et puis, c'est pas fini, c'est une convocation. Est-ce qu'on ne va pas encore faire durer le suspense jusqu'à la prochaine élection? Il y a toutes ces questions qu'on peut se, poser. On peut ce dossier maintenant, mm-hmm. euh, la substance judiciaire est complètement enlevée. C'est plus politique et politique,